Nigérien, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Et L'artiste s'exprime. Une rubrique de l'émission Tous à une émission diffusée sur 46 Radio partenaires les samedis et dimanches. 17h45 minutes reçoit l'art et ce qui le pratique sur cet angle. Aujourd'hui, ladies and gentlemen, nous allons recevoir dans quelques fractions de secondes un tal, une grande dame, une naturaliste. Elle est une rose tout simplement. Rose Sam Dondi, la machine te souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime. Comment tu vas Je vais très bien. Dis-moi que tu pètes la forme. Hein? Ouais, la fiataga. Alors on a un petit comment Hausa vous permettre bien évidemment à tous qui nous kiffent sur cet angle franco Hausa de bien saisir le message donc de l'artiste Sam Rose. Sam Rose, moi mhm. la yaba. La fia, Rose, Samrose, Mukao Zanchan, Samrose, biskan en émission. Qui est Samrose? Samrose au yarinya ce tsakanin Niger da Nigeria, sakane tsakanin Niger da Nigeria. kuma Nigeria, Nigeria, Nigeria. Voilà, c'est ça. Donc, Nigeria de Niger de Mouché. Ouais, de Ok, parle Niger 4. 4. Si tu <laughs> Alors, Sam, hmm. parle-moi de toi. là, Sam Samira là. Mhm, Samira. Ok, on peut avoir ton nom déjà à l'état civil Comment est-ce qu'on t'appelle Samira Samaila Issa. Samira Samaila Issa. Hmm. S-S-I. Mhm. Sam Rose. Ouais. Donne-moi Sam Rose pourquoi Sam Rose Sam Rose ni Samira ce Rose kuma saboda ina son flower free la Rose donc daga wannan tsayiya ne na ker Sam Rose kin ker Sam Rose uh une rose qu'on doit vraiment mhm, mais je suis piquante hein. Ah, tu es une rose piquante. <laughs> Ah ouais. Non, Et j'espère que tu ne vas pas me piquer sur cette émission. Ouais, ça dépend, tu sais. Les roses piquent, mais elles sont douces quand même. De quelle manière les roses piquent bah, Artistiquement <laughs> De tous les côtés. Moi, je pique. <laughs> Mesdames et messieurs, elle n'est pas que artiste chanteuse, hein. c'est vrai qu'elle fait du RB. Eh ben, il faut se dire aussi qu'elle elle est comédienne, vous l'avez certainement aussi constaté. Elle touche un peu à tout. Elle aime les plantes, elle aime les roses. Ok, d'accord, elle aime taquiner, elle pique. Voilà. Alors, ça doit piquer sur cette émission. Sam Rose. Piquant. Piquant. <laughs> <laughs> Là, beaucoup. Alors, Sambros, tu vas me parler un peu de tes débuts, de quand est-ce que tu as commencé la musique Yau shi ne kin fara? Ina iya cewa ban da ranar da na fara music tun da aka ni kawai da na je san nayi wayo na daga shekara uku zuwa yau na fara waka. Da mine kin fara? Kina da waƙe-waƙen titi da ake da wanda yanzu ina bakin cikin bacewar da suka yi cikin duniya bari ne wani abu kankan na sallama kofar daci nuna fuskan ka kan in yi mafalki ba zan barki ba sai na kalle ki kankon da kwalishar mata voilà donc du coup c'est avec ça que tu as commencé Oui, pas avec ces genre de, avec ces, comme les trucs de la rue là qui. Comme Mimi, comment Mimi? Comment ce sabada, sous. tsamiya tsamiya su irin wannan abubuwan su lamule lamule mulela irin wannan ah, abubuwan okay an fafar lamule lamule mulela bis kan sauti wa zam iya yin shi muyi zam lamule mu ja eh, eh, kin kwara lamule lamule mulela lamule lamule mulela Lamule lamule mulela lamule lamule mulela Mun zo tani sigarin ku <laughs> dawa dawa kuke so Kai ne kamata ka rinka ah, dawa dawa kuke <laughs> Voilà, mesdames et messieurs, vous avez certainement constaté comment est-ce qu'elle a commencé. Ah, ah, c'est la rue, c'est la rue. Et, oh, tout, la rue. Et tout vient de la rue. Et en fait, je suis fière de moi parce qu'à tu n'es ni chez star in titi, Un mm. aka fito kullun kowa sai ce ni zabaya. tun daga nan na san da sai na zama waƙiya wow <laughs> ibrahim ibrahim kaunar ka nake yabawa kamar ni kan banda kowa banda komai kamar ni kan banda kowa kai ka dai rice a raina kaunar aina suka a raina ah, wow <laughs> je sais que tu as travaillé la voix il y a un an koko Euh, tu... C'est venu naturellement. C'est venu naturellement Oui. Avec cette voix-là Oui, euh, mais euh, tu n'as pas suivi une formation euh, mm, mm. musicale quelque part Personne. C'est venu comme ça. Da la rue, ah. Na je Nigeria, Nigeria ka san cikin ghetto na asili ba kawai mawaka ne, komi akwai. Eh. Mawaka, actress, uh, kuma akwai kayan kuma akwai kayan aiki. Eh. So kawai kana cikin kowane ina san wani rayuwa kowane titi kaga kawai akwai wani mawaki wanda dan gangan shi wanda waye. na son haka na <laughs> eske kina samu wannan abubuwa a nan a nan da wuya babu to kas kin san abin da za yanzu mun kusa kare kan girkin wanga kaman shirin mun kai karshe mm-hmm. kina iya ki gaya muna misali masololi da kina samu cikin wakar a nan ga kasar matsalolin da ke da kwanan eh, shine eh. Ah, ba kasuwa ce ba ba a ɗauki harkar waka ba kaman wata kungiya wata industry wadda za ta zama abin business a rinka siye ana sai da abubuwa su shigo su huta kama manya-manyan kasashe a afirka kamar su nigeria da mm. sauransu mm-hmm. sannan kuma a ba mace matsayinta na mace a barta free a bata liberty inta sannan ta gwadi mayar del hmm. in aka hudda ta daga cikin kaji lokacin nan ne za a sanin wace ita elle est capable qu'est-ce qu'elle hmm. peut faire qui elle est réellement on lui donne la possibilité de s'exprimer mais c'est ce que nous nous faisons sur, le studio Kalangu la femme s'exprime tu t'exprimes ah, comme tu veux voilà abata achinta. tout le monde a beau dénoncer tout le monde a beau critiquer mais jusque là rien n'a changé kubata achinta nemeno Machine ne bore kayangoga angal sintina Mais misaliga l'émission franco a présenté par la Miss Rim magana kare kare